Bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambra. Clôture hier 21 octobre 2022 du Forum national de capitalisation des initiatives et approches d'animation et d'engagement communautaire dans les actions d'urgence et de développement au Niger organisé par le ministère de l'aménagement du territoire et de développement communautaire avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. C'était au palais de congrès du Niamey. Le compte rendu Zenob Gagara Abdel Nasser Abdou. C'est après amendement du rapport général du Forum national de capitalisation des initiatives et approches d'animation et d'engagement communautaire dans les actions d'urgence et de développement au Niger que se clôt ce Forum national ouvert depuis le 19 octobre 2022 après trois jours d'intenses travaux abattus par les participants avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Plusieurs recommandations ont été assorties au cours de ces trois jours d'intenses travaux. À l'endroit des autorités, développer une ingénierie sociale en s'appuyant sur le savoir-faire des paysans pour les amener à valoriser leurs compétences à travers le renforcement continu de leurs capacités. Assurer le leadership gouvernemental à travers les niveaux et formaliser les réseaux communautaires et encadrer les dynamiques et les initiatives sur la base des textes de loi. Généraliser la démarche du contrat social qui permet de mettre en exergue les normes transversales et les autres normes favorables à la mobilisation des ressources, la mise en œuvre et la capitalisation, à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Aligner les interventions aux orientations nationales, aux normes sectorielles, aux outils et aux planifications à tous les niveaux soutenir les institutions d'un cadre d'animation fédérateur multi-acteurs et multi thématiques renforcer les capacités des radios communautaires dans les techniques d'animation, de sensibilisation et de mobilisation sociale, appuyer les radios communautaires en matériel technique et numérique de production, de diffusion et d'animation pour le public, à l'endroit des collectivités territoriales, asseoir un système d'animation systémique et intégrer l'éthique pour favoriser un changement de comportement social. Renforcer les capacités des journalistes animateurs, producteurs de radios communautaires dans la production d'émissions de sensibilisation de bonne qualité. À l'endroit des communautés, renforcer les facteurs du vivre ensemble et de la cohésion sociale au niveau communautaire à travers la dynamisation du tissu socio-culturel, sportif et réactif. Le secrétaire général auprès du ministère de l'aménagement du territoire et du développement communautaire se dit satisfait de ce résultat abouti pendant ce forum. Toute notre satisfaction sur le résultat de ce forum que je qualifierais d'historique. En effet, trois jours durant vous avez largement échangé sur la capitalisation des initiatives et approches d'animation et d'engagement communautaire dans les actions d'urgence, de résilience et de développement au Niger. Pour mieux circonscrire la thématique, vous avez fait appel à plusieurs et divers contributeurs, 23 panélistes autour des thèmes tels que l'enjeu de l'appropriation, la capitalisation des approches d'animation, la coordination, l'opérationnalisation et l'articulation des planifications locales et communautaires, l'engagement de collectivités dans la maîtrise d'ouvrage et la mobilisation des ressources internes. Il est à noter également que deux communications de jeunes leaders ont été faites à titre de partage d'expérience. Et enfin, vous avez eu à apporter des amendements sur le projet de la note conceptuelle du programme de renforcement de l'engagement communautaire et citoyen. Des échos qui nous sont parvenus, la participation a été active, les débats riches et les échanges mutuellement enrichissants. Espérons que ces recommandations qui ont été faites à, ce forum puissent apporter un changement face aux multiples défis au niveau communautaire pour le développement d'engagements citoyens et communautaires durables. Tout juste après la clôture de ce forum national, une conférence de presse a été animée par le secrétaire général auprès du ministère de l'aménagement du territoire et de développement communautaire. Une conférence de presse qui entre dans le cadre du dit forum. Suivons ce extrait. L'idée du forum euh, prend son origine suite à un atelier que le ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire a organisé en 2018 sur les questions d'appropriation des résultats des actions de développement et l'une des recommandations fortes issues de cet euh, atelier, c'est d'organiser un forum national pour euh, élargir et approfondir la réflexion autour de cette thématique transversale qui concerne pratiquement l'ensemble des secteurs d'intervention en matière de développement. poursuivant nos réflexions, nos concertations, nos échanges, nous avons trouvé un écho favorable avec le programme de coopération Niger-UNICEF qui a accepté de nous accompagner. Et vous avez vu eh, l'importance de la thématique a fait en sorte que le public a été large. Au cours des trois jours qui ont suivi, nous avons eh, eu à échanger donc, entre les représentants des ministères techniques, les représentants des collectivités territoriales, des services de euh, déconcentrés de l'État, des organisations non gouvernementales, les partenaires techniques et financiers, mais aussi et surtout donc, euh, les organisations communautaires de base et des personnes ressources, dont les anciens de l'animation. Les anciens de l'animation, donc, ce sont vraiment ces cadres-là qui, beaucoup sont à la retraite aujourd'hui, mais qui ont beaucoup apporté pour l'édification donc du développement de ce pays. Alors, au cours de ces trois jours, nous avons utilisé une approche participative qui a permis vraiment aux participants qui sont présents au cours de cet atelier ou de ce forum de pouvoir donner, de pouvoir partager et de pouvoir aussi recevoir. Il y a eu des exposés des questions-réponses, aussi des panels, des travaux de groupe. Et tout ça nous a permis d'arriver à des résultats eh, qui viennent d'être présentés ici je dirais que le ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire est très satisfait des résultats euh, que nous venons d'enregistrer et nous nous engageons donc par rapport à ça à poursuivre la consultation et les échanges avec tous les acteurs mais aussi avec tous les partenaires pour pouvoir bâtir bâtir parce que c'est ça aussi la finalité bâtir et mettre en œuvre un programme national pour la promotion de l'engagement communautaire des citoyens. Le réseau de solidarité des femmes pour une vie meilleure a organisé ce matin 22 octobre 2022 une campagne de consultation gratuite au cabinet médical Aïcha Oumoul suivant plutôt l'entretien du gestionnaire du dit cabinet dans ce extrait. Le cabinet médical Aïcha c'est un centre de santé qui a été créé par le réseau de solidarité des femmes pour une vie meilleure, euh, le réseau, avec comme objectif de contribuer à l'amélioration de la santé de la population, particulièrement la population euh, vulnérable. Donc euh, cette caravane de consultation et donne des produits qui sont gratuits rentrera en tout cas dans son objectif donc contribuer à l'amélioration de euh, la qualité de la santé de, la population, particulièrement la population vulnérable. Ce n'est pas la première euh, euh, depuis l'ouverture du cabinet, aujourd'hui ça fait un peu moins d'une année. C'est la quatrième caravane organisée dans ce sens-là, avec des médecins généralistes encore et des médecins spécialistes dans, différents domaines. À l'endroit de la population de Niamey, c'est de considérer que ce cabinet-là a été construit pour les aider. Et donc, il faut, il faut venir, il faut se faire soigner, il faut se faire prendre en charge. En tout cas, dans la capacité de ce cabinet-là, les portes restent euh, grandement ouvertes pour accompagner, pour aider la population. C'est juste la journée d'aujourd'hui, c'est de 9h à 14h, les consultations et euh, les produits aussi qui sont donnés après la consultation. C'est les hommes et les femmes, enfants comme grands, c'est tout le monde. Ouverture ce jour 22 octobre 2022 de l'atelier de, forme de démarrage avec les radios partenaires des régions de Tawa et Agadez. Un projet d'engagement des médias dans les huit régions du Niger pour la promotion des droits de l'enfant, y compris en situation d'urgence. Nous point avec Abdul El Hajiawale depuis Tawa du lancement d'un projet d'engagement des médias dans les huit régions du Niger pour la promotion des droits de l'enfant, y compris en situation d'urgence. L'atelier de démarrage regroupe les médias de la région d'Agadez et de Tawa. Pendant ce projet, nous allons beaucoup parler du droit de l'enfant, pour parler d'une information, pour parler de tout sujet, il faut obligatoirement les médias. Les médias jouent un rôle important dans les activités et dans nos vies quotidiennes. Voilà pourquoi, pendant ces dix mois, nous allons travailler avec 172 radios qui vont nous accompagner afin d'aider nos populations de comprendre ce qu'est le droit des enfants. Mais pour le faire, pendant ce projet, nous allons renforcer les capacités de nos médias parce que nous avons plusieurs critères et nous avons déjà rédactionnel à travers lesquels nous allons demander ces médias-là de travailler. Il y a déjà rédactionnels qui vont être euh, pratiquement primés. Il va y avoir également des formats dans lesquels nous allons demander à nos collègues journalistes et animateurs de travailler. Mais tu ne peux pas demander à quelqu'un de travailler, de faire des formats ou de développer des genres sans pouvoir le former. Voilà pourquoi au cours de ce projet, nous allons former nos collègues sur comment faire des formats comme le débat radiophonique, comme les émissions interactives également, et ensuite leur montrer ce qu'on attend d'eux à travers plusieurs points, notamment la nutrition, notamment l'enrichissement des enfants, ainsi de suite. Donc, nous pensons que ce projet de 10 mois que nous allons débuter va permettre aux Nigériens et aux Nigériens de comprendre exactement ce qu'est le droit de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos frères, et également aider cette population à prendre soin de ces enfants-là. Le projet a vu le jour grâce au partenariat entre la Fondation Hirondelle et présentée par les studios Kalangou et l'UNICEF. Vous êtes, euh, comme je dis, les tout premiers euh, dans la danse. Nous allons parcourir pendant ces deux jours euh, ce que les activités qui nous attendent, qui vous attendent surtout vous, les radios qui ont été sélectionnées. Les travaux qui vont nous réunir euh, vont être un peu complexes. Il va falloir vraiment être très assidu et attentif à ce que nous allons nous dire. Je ne veux pas dire ce que nous allons vous dire, mais ce que nous allons nous dire entre nous. Parce que c'est une rencontre d'échange pour comprendre mieux le travail qui va être le nôtre. Ce travail va durer pratiquement 10 mois et pendant ces dix mois-là, il faudrait qu'on ait des résultats probants qui peuvent attirer d'autres partenaires. Notez que l'atelier va durer deux jours. Bonjour à Tawa pour le lancement de l'activité e-sportive des élèves du collège. Une activité féminine organisée avec l'appui de la Fédération nigérienne de l'athlétisme. Plus de détails dans ce reportage de Abdul Nasser Abdou sur les images de Mamansani Ousmane. Lancement des saisons sportives en athlétisme 2022-2023 à Tawa avec l'appui de la Fédération nigérienne de l'athlétisme qui a bien voulu délocaliser l'ouverture dans les chefs-lieux de la région. Ce sont plusieurs jeunes amateurs de la piste qui ont participé à une séance de course dans la ville de Tawa. Objectif est de détecter des jeunes talents qui peuvent potentiellement représenter la région dans les sports de l'athlétisme. On a pris les élèves de la 6e, 5e parce que Tawa est vraiment réputé en matière d'athlétisme féminin. Nous avons des exemples palpables. Vraiment, présentement ici, on a une championne qui est là, Ramat Saloufou, qui a participé à beaucoup de compétitions. Et nous avons aussi des athlètes qui ont participé. Voilà pourquoi nous, on a choisi de faire courir les jeunes filles de la sixième à la cinquième pour la détection des jeunes. Et Dieu merci, aujourd'hui vraiment on a détecté des filles, on a vu des jeunes filles promoteuses qui sont prêtes à représenter la région d'Ottawa dans toutes les compétitions. Donc nous remercions la Fédération nigérienne d'athlétisme qui a voulu vraiment eh, délocaliser l'ouverture de saison dans chaque région. Donc on n'a pas fini le cycle d'endurance, on a préféré faire au moins trois séances avant de euh, lancer ce, test. Vraiment, nous remercions la fédération. À la fin de cette course, les prix sont décernés aux meilleurs athlètes, les premiers prix, le deuxième et le troisième et la quatrième place ouverture de l'atelier de formation des journalistes sur l'organisation judiciaire du Niger, les voies de recours et les audiences des chambres criminelles des tribunaux de grande instance organisées par la CNDH. Le compte rendu de nos correspondants depuis Tawa. Les gouverneurs de la région de Tawak accompagnent le président du conseil régional et le maire de l'arrondissement communal 2 à procéder à l'ouverture de l'atelier de formation de journalistes sur l'organisation judiciaire du Niger, les voies de recours et les audiences des chambres criminelles au Niger. Financé par le royaume des Pays-Bas et organisé par la Commission nationale de droits humains CNDH, les médias et le système judiciaire sont des acteurs clés dans le processus démocratique. En effet, il n'existe une complémentarité entre les deux corps de métier pour instaurer les bonnes pratiques démocratiques, quelles que soient leurs limites et leurs intérêts. Les médias, en révélant les dessous des pouvoirs et en usant de sa capacité de contrôle, la justice par l'application de la loi et des jugements conformes au droit. Toutefois, ce travail ne peut se faire qu'avec des journalistes bien aguerris et suffisamment outillés sur la chaîne pénale et les voies de recours afin qu'ils puissent à leur tour sensibiliser les citoyens, d'où la nécessité de renforcer leur capacité à informer sur le fonctionnement de la justice et ce conformément à la déontologie de l'information et à la bonne application de la loi. Mesdames et Messieurs, au Niger, la Constitution et les lois garantissent le droit à l'information, la liberté d'expression et organisent l'exercice. C'est le moment de rappeler que la CNDH est une institution nationale des droits humains dotée du statut A et qui a un mandat constitutionnel dans la promotion et la protection des droits fondamentaux. Cet atelier de deux jours vise à renforcer les capacités des participants que sont les journalistes des médias publics et privés des régions d'Agadez, Maradi, Zender et Tawa. La présente rencontre vise à renforcer les capacités des journalistes de la presse euh, publique, privée et des radios communautaires des régions de Zender, Maradi, Agadez et Tawa. En effet, dans ce contexte de démocratie et de l'état de droit si cher aux plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles Son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, euh, chef de l'État, cette activité est à saluer car elle permettra aux journalistes de cerner tous les contours de la chaîne pénale au Niger en vue de sensibiliser à leur tour les citoyens. Cela va contribuer certainement à une avancée dans l'éducation des droits humains dans notre pays. C'est pourquoi nous saluons la tenue de cet atelier qui va permettre à tous les participants ici présents de jouer leur partition dans le cadre de la consolidation de l'état de droit au Niger. Au regard de la qualité des participants conviés à cet atelier, je ne doute pas que les échanges seront fructueux et que les objectifs Rappelons que cet atelier a pris fin hier vendredi 20 octobre 2022 et a duré deux jours. Lancement de la 11e édition du concours national de la musique moderne prix d'Angoumou. C'était sous le haut parrainage du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Nous point ce reportage de nos correspondants Tambara Tawa. Lancement du 11e édition du concours national de la musique moderne prix d'Angourmou le mercredi 19 octobre 2022 à la maison des jeunes Albarka de d'Etawa. C'est sous le patronage de son excellence le premier ministre euh, Oumoudou Mahamadou et sous le haut patronage du ministre de la culture, du tourisme et de l'artisanat du Niger, M. Mohamed Hamid. C'est en présence des autorités administratives et coutumières de la région d'Etawa. Le mot d'accueil des participants a euh, été prononcé par le gouverneur de la région d'Etawa. Le concours national de musique moderne nigérienne, prix d'Angourou, est une activité thématique décentralisée, délocalisée à Tawa, en vue de rendre un hommage mérité à ce grand fils de la terre que fut l'artiste d'Angourou, virtuose de la musique traditionnelle, dont les airs voluptueux de son célèbre violon sont connus au-delà de notre pays. Pour il le rappeler notre région a toujours été d'une grande renommée par la richesse de sa production artistique et culturelle, en témoignent les différents prix remportés en chant, théâtre et ballet lors des festivals de la jeunesse. Sur le plan musical, la région de Tawa dispose de plusieurs orchestres et groupes musicaux qui complètent cette richesse artistique et culturelle. Mesdames et messieurs, durant six jours, les artistes nigériens rivaliseront de talent dans la fraternité et la convivialité parce que cette rencontre regroupe des jeunes. Le prix est une véritable occasion pour promouvoir notre culture à travers la musique moderne les chants, et danse en portant nos jeunes talents. Les autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, euh, chef de l'État, Attache du à la promotion de la culture car c'est elle qui fait la fierté de tout un peuple. Après le gouverneur de la région de d'Ottawa, le ministre des Tourisme et de l'Artisanat du Niger, qui après le remerciement à l'endroit de la population de la région d'Ottawa pour l'accueil qui leur a été réservé, il a placé un rappel quant aux objectifs du concours musical Prix d'Angourmou et a déclaré ouvert le concours Prix d'Angourmou 11e édition 2022. Le concours national de musique moderne nigérienne Prix d'Angourmou a été créé en 1986 avec comme objectif de susciter la créativité et promouvoir une identité musicale nigérienne. Satisfaire la demande d'une jeunesse sans cesse fascinée par la musique moderne, le bilan de toutes les éditions organisées fait ressortir un palmarès élogieux. Au fil des éditions, le prix d'Angour s'est affirmé, comme l'une des plus grandes manifestations susceptibles de rallier à la fois le goût d'un public avisé et exigeant aux préoccupations majeures des autorités et des artistes pour l'affirmation d'une musique nigérienne s'inspirant de notre riche patrimoine culturel. Au fil des éditions, le prix groupe a fait émerger Tana et gravé des noms dans les annales de la musique moderne nigérienne à travers la délocalisation du prix d'Angourmou à Tawa au titre des activités thématiques décentralisées, mon département ministériel l'a inscrit dans une nouvelle dynamique de relance de la créativité en région et de faire de Tawa la capitale de la musique moderne nigérienne. Notre rôle est d'accompagner la région dans sa marche pour consacrer Tawa comme capitale de la musique moderne nigérienne. On note la participation de plusieurs artistes venus de différentes régions du Niger. À cette occasion, le concours va durer six jours pour prendre fin le 25 octobre 2022. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bon week-end à tous. auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Sat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500.